le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangou, c'est l'heure de votre émission hebdomadaire Le Forum de la presse, l'émission qui reçoit des journalistes de la presse locale, écrite, audiovisuelle ou en ligne, pour analyser l'actualité de la semaine qui s'achève. Trois sujets au menu du forum de ce soir. D'abord, les inondations de ces jours-ci au Niger, ayant causé d'énormes dégâts et plusieurs sinistrés, les violentes précipitations et la montée des eaux du fleuve Niger en cause. Sur le plan politique, la candidature de Bazo Mohamed, ministre de l'Intérieur à l'élection présidentielle de 2020, et les travaux de la Commission nationale indépendante CENI ont constitué entre autres sujets phares de la déclaration de l'opposition réunie dans le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR le 29 août passé. Enfin, la semaine a été marquée aussi par cette lettre du tout nouveau gouverneur de DIFA adressée au ministre du Pétrole, fustigeant la délocalisation prolongée de la CNPC, la compagnie chinoise qui exploite le pétrole, et ses succursales de DIFA à Zender depuis 2015 pendant que 66 ONG internationales ou nationales continuent de travailler à DIFA. Pour discuter de tous ces sujets, nous recevons nos confrères Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Garé, bonsoir. Bonsoir. Hussein Issa, journaliste freelance. Hussein, bonsoir. Bonsoir. Et Elhadj Suleiman Mahamadou, journaliste au journal La Ligne Niger Inter. Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Et à la présentation, c'est moi, Alassane Kouzi Mahamadou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le forum de la presse de ce vendredi 6 septembre 2019. Nous commençons ce forum par les inondations de ces jours-ci au Niger. Les violentes précipitations et la montée des eaux du fleuve Niger ont été à la base d'énormes dégâts et ont fait de nombreux sinistrés à Niamey et dans les autres régions du pays. À Niamey, la montée des eaux du fleuve a fait céder une digue vers Sagia, des eaux qui ont envahi des maisons et des rizières dans certains autres quartiers euh, riverains du fleuve. Le bilan des inondations présentée par le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes euh, mercredi passé fait état de 42 morts, environ 69 400 personnes sinistrées, près de 5 500 maisons effondrées et 829 animaux morts. Il ressort également que la région de Maradi serait la plus touchée, suivie des Enders, Agadez, Dosso, Tilaberi par ailleurs, les réponses d'urgence apportées aux victimes couvrent à peine 30% des besoins. Elhaj Suleiman Mahamadou, quelle lecture faites-vous de ces inondations et leurs conséquences ben, C'est euh, presque récurrent. Euh, de temps en temps, euh, on connaît des situations pareilles, même si les experts disent que cette situation n'a de pareil qu'en 2012, je crois, qu'on a connu une situation très difficile. Euh, c'est bien d'alerter parce que quand même euh, l'autorité a alerté et plus qu'une alerte, l'autorité a dit que présentement, euh, elle n'a que un tiers de réponse aux besoins des sinistrés. Donc je pense que c'était responsable de dire en tout cas aux partenaires effectivement, nous avons besoin de, de votre aide. Donc, c'est un problème humanitaire parce que lorsque les gens n'ont pas de, maison, en tout cas suite aux inondations, euh, je pense que c'est une situation assez difficile parce que ça fait appel à beaucoup d'infrastructures, à savoir que euh, c'est des familles, euh, en plus du logis, il y a beaucoup de choses que ça demande, la nourriture, tout cela. Donc je pense que c'est une très bonne chose, mais en fait, ce qui est encore plus inquiétant, c'est le fait que la menace au aux côtés de Niamey, en tout cas, persiste avec... le, le, barrage, un barrage au, niveau de Mali en tout cas qui a, qui a cédé. Donc le gouverneur a été très clair euh, en tout cas, pour dire aux jeunes de faire attention. Donc, espérons qu'on puisse contenir en tout cas les, les dégâts et aussi que les populations puissent comprendre la nécessité véritablement euh, en tout cas de trouver une alternative, vivre en tout cas dans cette zone, le lit du fleuve, tout le monde le sait, les experts le disent, en tout cas le fleuve a toujours euh, cherché à revenir au niveau de son ancien lit, et par conséquent, lorsqu'on connaît un problème, d'aucuns disent que par exemple la, euh, la mairie en Niamey donne même à ces gens de, faire la demande gratuitement de terrain. Donc je pense que ne pas s'exposer vraiment face à, des situations. Bien. Euh, euh, quelle est la lecture que vous, faites euh, de ces inondations qui ont causé d'énormes dégâts déjà sont 9400 personnes sinistrées selon en tout cas le bilan communiqué par le ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ces jacques d'inondation liés à la crue du fleuve Niger. Mais malheureusement, on constate que d'une année à l'autre, c'est la même situation qui prévaut, c'est-à-dire que on délocalise les populations. Une fois que la saison finit et que la décrue s'installe, les gens reviennent récupérer un peu, comment on veut dire, leurs espaces, comme on veut dire, les espaces Où ils étaient initialement, ouais. Initiaux. Et ça, moi j'ai dit, quelque part, il y a un peu de manque de rigueur de l'État. Parce que quand vous savez que vous avez déjà délocalisé les gens, je me rappelle une année, on a amené les gens vers euh, Bougoumla, on a trouvé des espaces où les gens pouvaient construire leur maison on leur a attribué des parcelles. Mais malheureusement, une fois que la saison de pluie est finie, les gens sont revenus dans leur espace. Ils ont vendu ce qu'ils avaient comme terrain de l'autre côté, les terrains plats qu'ils avaient euh, de l'autre côté, pour venir s'installer encore au bord du fleuve. Moi, je dis, l'État doit prendre ses responsabilités. Mm. On ne peut pas être dans une perpétuelle répétition, répétition. des mêmes choses. On ne peut pas être dans une situation de quête à chaque fois qu'il y a des questions de, euh, comment de, de catastrophe, qu'on soit dans la dynamique alors que c'est les mêmes personnes à qui on donne des terrains qui vont aller les vendre, au lieu de les viabiliser, qui préfèrent les vendre pour venir s'installer, colmater les maisons qui sont tombées et s'installer dedans, et bien évidemment, d'une année à l'autre, le fleuve est incontrôlable. Mm. C'est les catastrophes naturelles un peu partout dans le monde, c'est incontrôlable. Aux États-Unis, on voit aujourd'hui ce qui est en train de se passer avec, euh, comme on avait dire, euh, l'ouragan là. On voit ce qui est en train de se passer. Mais quand on crée, il faut créer les conditions pour que les populations, en tout cas, comprennent que une fois qu'on t'a délogé de cet espace, tu dois rester là où on t'a attribué quitte à ce que l'État trouve un mécanisme pour faire en sorte que personne ne puisse revenir quand on les délocalise. Ce n'est malheureusement pas le cas parce que les gens se disent j'ai mes rivières, j'ai mes moyens de production sur place, je vais revenir parce que c'est là où se trouve. Alors que les moyens de production peuvent continuer à être exploités même à distance. Gare Amadou oui, et moi d'abord, euh, le principe, le principe de, de, de, de, de l'appel à l'aide internationale concernant cette catastrophe, déjà sur le principe, moi je ne suis pas, je, ne suis pas d'accord. Mm. Je n'aime pas, par nature, je n'aime pas qu'on tende la main pour des choses, surtout qui concernent le territoire national, par principe. Mais j'ai aimé l'honnêteté du ministre qui dit que l'État n'a que les un tiers des moyens pour pouvoir assurer cela. Je crois qu'il faut que on travaille à ne plus tendre la main pour gérer des questions d'intérêt national. Parce que, à la longue, ça va être perçu comme une sorte d'incapacité. Pour moi, je pense que l'État a déjà créé un ministère. Eh bien, il faut faire en sorte que ce ministère-là puisse avoir les moyens, en tout cas, de venir à bout de ce genre de phénomène au moment où il survient. C'est-à-dire que doter ce ministère-là de moyens conséquents qui puissent lui permettre de travailler. Parce que c'est ça, en fait, le problème. Comprenez Donc, mais je trouve que dire qu'on a un tiers, pour, un tiers des moyens pour pouvoir, euh, euh, euh, en tout cas, subvenir aux, besoins des sinistrés, j'ai trouvé ça assez. Moi, ça m'a peiné quand même. Mhm. Franchement, j'ai été blessé à mon foyer intérieur. Bon, je comprends ce ministère, c'est un ministère qui est peut-être pratiquement de dénué de moyens. Mais de notre côté, ce que Hussein dit aussi est vrai. Mhm. Vous savez, il y a deux cas. Il y a le cas de ceux qui viennent reconstruire les lits de fleuve et il y a le cas des inondations qui suite à des fortes pluies dans, les, dans, les, dans les, régions ou où, à Niamey. Il y a deux problèmes essentiels. Mm, mm. Le premier problème, c'est comme l'a dit les gens qui reviennent reconstruire le lieu du fleuve. C'est-à-dire quand vous chassez les gens... Ont qu'ils ont reçu des, parcelles... Non, c'est-à-dire... pourquoi j'ai dit que... Non, c'est pourquoi je suis d'accord avec lui. Quelque part, il y a une sorte d'inconséquence de l'autorité, en tout cas municipale. Quand vous chassez des gens au niveau d'un endroit, vous les délocalisez, vous leur donnez les moyens pour reconstruire. Mm. Mais ils viennent reconstruire au même endroit, à votre, au vu aussi de tout le monde. Vous les voyez, et puis vous ne faites rien, hmm. jusqu'à ce que la saison ne plus. Hmm. Moi, je trouve que le fait de vouloir pleurnicher après la catastrophe, je trouve ça lamentable. Je hmm. pense on doit mettre les moyens. Faites en sorte que l'endroit, ne... construisez des choses. Faites des choses qui puissent faire, en sorte que les gens ne puissent plus revenir. Oui, vous pouvez faire beaucoup de choses, n'est-ce pas Planter des arbres. Faites des choses pour que, voilà. Mais, mais, mais chaque fois, on a l'impression que c'est la même chose. Cette année encore, je vous dis, hein, les mêmes gens qui ont été victimes de catastrophes, n'est-ce pas L'État va les déplacer pour les amener quelque part. Après, l'État va fermer les yeux et puis ils vont revenir. Une fois que la saison n'est plus terminée, ils vont venir construire. Parce qu'il euh, il se dit aussi souvent que certaines personnes euh, se trouvent leur compte dans ces, moyens d'assistance qu'on apporte aux, gens, aux sinistrés. C'est possible que, peut-être que ça arrange les gens. À chaque fois, ces sinistres-là. Il y a des gens peut-être qui s'en sortent. Mais moi, j'ai dit, je ne comprends pas se laisser aller où on laisse les gens revenir dans des endroits qu'on considère comme dangereux. Le deuxième cas, c'est les gens euh, dont les maisons sont en train de s'effondrer à cause des pluies. Il y a un problème essentiel, c'est qu'aujourd'hui, même dans la capitale, il y a des maisons en banco. Mm. Aujourd'hui, au, au 21e siècle, des maisons en banco dans une capitale qui est censée être moderne, mm. je pense qu'il faut changer. Il faut qu'il y ait une politique, politique d'urbanisation qui puisse faire en sorte que le sac de ciment puisse revenir à un prix abordable permettant aux gens de reconstruire leurs maisons. Les maisons en banco, là, avec les changements climatiques, là, avec les fortes pluies, là, les maisons en banco sont appelées à s'effondrer, c'est clair. Celles qui ont résisté, il y en a des maisons qui ont été construites depuis presque l'indépendance, dès les années 60, et qui sont là. Mais ça, c'est de l'argile. Hmm. À chaque pluie, ça, c'est. Voilà. Gary, quelle analyse vous faites euh, au sujet de l'efficacité des méthodes de prévention et de gestion des inondations dues aux pluies et aux, au du fleuve. Non, euh, les méthodes utilisées pour la prévention, parce que euh, quelque part la prévention aussi peut jouer un rôle important dans. on dit bien que il vaut mieux prévenir que guérir. Oui, mais Alassane, entre nous, eh, est-ce qu'il y a eu une prévention S'il y a eu une prévention, est-ce que les gens qui, ont, qui, sont partis reconstruire les lieux du fleuve, est-ce qu'ils allaient venir reconstruire Pour moi, en tout cas, la sensibilisation n'a pas marché. Les gens sont partis reconstruire au même endroit. Donc, qu'est-ce qui ne marche pas Donc, on ne fait pas de la sensibilisation, on ne fait pas de la répression, on laisse les gens, il y a un laisser-aller, et puis les gens, ils font ce qu'ils veulent. Tandis qu'ils se disent que, bon, euh, on va quitter maintenant, voilà, l'État va nous trouver un endroit, mais bon, calmez-vous. Dans tous les cas, quand la saison des pluies va finir, L'État va, euh, euh, euh, en tout cas, manquer de vigilance. On va revenir tranquillement, on va reconstruire jusqu'à la prochaine saison de pluie. Le pire, c'est que quand la saison de pluie s'approche, puisque l'État a laissé faire, au moins, quand ça s'approche, faites en sorte d'évacuer les gens avant que les pluies. Hmm. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Quand l'ouragan, avant que l'ouragan ne vienne dans une ville, qu'est-ce qu'on fait Les gens sont informés. Et, qu'est-ce qu'on fait On les évacue. On les évacue. Voilà comment ça se passe. Mais vous n'allez pas laisser les gens se faire inonder après. Vous dites non, non, non, on va chercher des solutions, on va appeler internationale pour. Non. Moi, je trouve ça complètement euh, absurde. Et là, justement, quelle, euh, quelle analyse sur les méthodes de prévention euh, On sait que dans, pour, le cas de Sagia, une il y a une partie de la digue qui a cédé. Est-ce que quelque part aussi, on sait qu'il y a des digues euh, vers la rive droite, vers Saga, qui ont été construites et vers Goudel. Est-ce que quelque part, c'est pas ces, digues-là qui donnent une certaine, une certaine assurance aux gens et ils, pensent qu'ils sont protégés par la digue Et euh, ces digues aussi peuvent être défaillantes à un certain moment. Vous savez, c'est un peu plus complexe. Euh, il y a le fait que souvent l'homme est attaché à la terre. Ces gens sont aussi attachés à leur terre. Vous souvenez-vous, au niveau du barrage de Kandaji, les, les déplacés, hmm. c'est pas de. Les sont très attachés à leur terre. Souvent, vraiment, il faut beaucoup de sensibilisation, beaucoup de communication. Et, eh bien, et je pense que comme c'est assez vraiment dangereux, je suis d'accord avec euh, Gary, c'est l'État qui doit véritablement s'assumer. S'assumer non seulement en prenant des mesures, en tout cas, pour vraiment mettre euh, ces gens vraiment euh, hors d'état, en tout cas, du, danger, mais aussi accompagner avec les moyens qu'il faut donc pour qu'ils puissent effectivement se loger vraiment définitivement dans des endroits vraiment euh, loin du danger. Mm. Euh, maintenant, euh, par rapport effectivement à la, à, la, situation, on entend des, des, spéculations en tout cas. Mais je pense que dans un État organisé, il appartient aux experts véritablement de conseiller. Parce que par rapport à la prévention, je pense qu'au niveau de la primature, il y a un système d'alerte précoce, de, précoce Donc je mm. pense que euh, c'est l'État, parce que je pense pas le moyens du ministère, c'est les moyens justement du, gouvernement qui sont insuffisants peut-être, il faut le déplorer. Mais euh, je pense que vraiment face à la situation, comme le problème est récurrent euh, en termes donc, de méthode, il importe vraiment que les experts, en tout cas, disent au gouvernement une bonne fois pour toutes, voilà ce qu'il faut faire et que le gouvernement puisse effectivement mettre en œuvre les mesures vraiment techniques, franchement. Issa, Hussein Issa vous savez, sur la, manière de lutter efficacement la ou de prévenir. Les euh, digues sont érigées en latérite. C'est des latérites, les digues qui sont au niveau du fleuve. Bon, il y a un peu de ciment à certaines... Il y a un peu de pavés, euh, des pavés qui ont été... Des pavés, oui, bien sûr. Mais la force de l'eau, comme tout le monde le sait, l'eau, c'est quand même un élément naturel très, euh, très puissant. Très et, puissant. et aussi le niveau qui, maintenant, qui monte concernant la question de la prévention, moi j'ai dit, la prévention, c'est qu'il faut être radical. C'est tout. Ça dit, ce n'est pas attendre la fin de la saison. Quand vous délocalisez les gens, vous leur trouvez des espaces. Comme vient de le dire Gary, il faut créer les conditions pour que ces gens puissent s'installer. Maintenant, s'ils ont des s'ils ont des parcelles au niveau du fleuve, vous pouvez leur concéder ces parcelles-là qu'ils peuvent mettre en valeur, et comme avait dit, pendant, pendant la période de crue, hmm faire en sorte qu'ils ne reviennent pas construire à côté de l'eau, parce que quand bon, c'est des dégâts, c'est des pertes matérielles, ça peut se reconstruire. Mais quand c'est des pertes en vie humaine, c'est un peu compliqué. Et j'ai dit, c'est là où je trouve la défense de l'État. Vous délocalisez les gens, vous leur donnez des terrains. Ils attendent ils vendent les terrains. Ils reviennent avec l'argent des parcelles, ils construisent les mêmes, euh, comme on dit, les mêmes maisons en matériaux précaires. Et la pluie va revenir. Pendant qu'ils sont en train de construire, vous êtes en train d'observer. Vous n'arrêtez pas. Bien évidemment, ça va être un éternel recommencement. Et c'est ça qui est déplorable au niveau de l'État. Garé, euh, vous oui, oui j'aimerais aussi revenir sur, la digue qui cède. Hmm. Les gens disent la digue qui cède et puis ils font comme si c'est quelque chose de normal. Non. Vous voyez ce qui s'est passé en Italie. Quand un point a cédé, hmm. il y a eu une enquête. Pour voir si la, Mais la digue n'a pas été construite dans les années 60. C'est une nouvelle digue. Comment elle peut céder Il faut qu'on nous explique. Les techniciens ont failli. Non, c'est clair. Il faut qu'on nous explique pourquoi cette digue-là a cédé. Ça veut dire qu'il y a une étude qui a été mal faite. Ça veut dire que soit les travaux ont été mal faits. Donc, il faut vraiment que l'enquête puisse nous prouver ce qui s'est passé. Nous abordons le deuxième sujet de ce forum sur le plan politique. Je le disais, l'opposition politique euh, réunie au sein du Front euh, pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, FRDDR, a rendu publique une déclaration le 29 août passé. Le FRDDR voit des risques graves dans le maintien au poste de ministre de l'Intérieur de Bazoum Ahmed, candidat à l'élection présidentielle de 2021. Aussi, le FRDDR a décidé de porter plainte contre le ministre de l'Intérieur Bazou Mohamed pour usage des biens et attributs de l'État à des fins personnelles lors de ses vacances. Alors, euh, Gary Amadou, quel commentaire vous inspire ces points de la déclaration du FRDDR Oui, ça m'a fait sourire parce que quand je vois l'opposition, euh, oui, oui, en tout cas monter sur tous les chevaux pour attaquer le, président du PNDS, Bazou Mohamed, par rapport à l'utilisation des biens de l'État pour lesquels il a été le premier homme politique honnête à avoir reconnu certains qui sont au niveau de l'opposition, qui ont eu à gérer des parcelles de pouvoir, ont utilisé les bains de l'État. Donc moi, ça me fait sourire. Mm. Parce que ils ont utilisé le bon ils n'ont jamais eu le courage de le reconnaître. Aujourd'hui, ensemble, vouloir profiter du fait que le président du parti, euh, Pendestare, a, a, dit que lui aussi, il trouve ça maladroit et que la prochaine fois, ça, il va tout faire pour que ça ne se fasse pas et qu'il interpelle les partis politiques à ne plus le faire. Les gens veulent profiter de l'occasion pour essayer de se faire une pub comme si eux, ils étaient des saints. Je vous dis, l'histoire du Niger n'a pas commencé maintenant. Hmm. On connaît tout ce qui s'est passé, on sait qui a géré quoi, qui a fait quoi. Donc, il y a des images donc ça, je trouve ça absolument euh, euh, enfantin pour moi. Mm. Et je pense que euh, l'opposition, il y a une absence totale de stratégie. Mm. il semble être là à l'affût de la moindre... Il n'y a d'abord pas de perspective. Mm. Vous savez, l'opposition est aujourd'hui sans leader en réalité, parce que le vrai leader, il est à l'extérieur, il ne peut pas revenir pour faire le combat. Et en plus, il y a une perte de repères et il y a une absence de stratégie. Euh, excusez-moi de vous interrompre, Gare. Et qu'en est-il de cet aspect soulevé par l'opposition, notamment le fait que Bazoum Mohamed est candidat à la présidentielle, en même temps, il reste encore ministre de l'Intérieur, en charge justement de ces élections Oui, mais ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui organise les élections, c'est la CENI qui organise les élections. C'est la Commission électorale nationale indépendante qui organise les élections. Le ministre de l'Intérieur lors d'un point de presse, le président de la CENI l'a mm. expliqué. Mm. Il dit jusqu'à preuve du contraire, tous ceux qui ont annoncé qu'ils sont candidats, ce n'est que des candidatures verbales. La vraie candidature, là, c'est quand tu déposes le dossier au niveau de la commission, euh, au niveau de la, de la Cour constitutionnelle. Mm. C'est ça la vraie, le, vrai dépôt de débat, de, de dossier. En ce moment-là, il dit en ce moment, si tu avant de déposer, certainement que le ministre de l'Intérieur va démissionner et il dépose. Mais pour le moment, tout ce que, depuis Seyni Oumarou, Bazou Mohamed, Hamou et tout le reste là, c'est des candidatures virtuelles. Elles ne sont pas officielles parce que l'officialisation de la candidature, c'est un dossier en bonne et due forme déposé au niveau de la Cour constitutionnelle. Bien. Euh, Mahamadou, quel est votre point de vue par rapport à ces deux points soulevés par euh, le, FRDDR par rapport par rapport euh, à, l'usage des biens publics euh, euh, j'étais au point de à la conférence de presse de le président de Bazoum où effectivement il a eu le courage de reconnaître que ça a toujours été fait comme ça quand les ministres vont en vacances il va avec euh, les voitures, leurs voitures de fonction ou bien de, de, de, de c'est pas moi. Donc euh, là, il a, euh, j'ai vu, même à travers le réseau, en tout cas, a reconnu ce courage politique et il a dit, lui, à partir de ce moment, il n'entend plus le faire et il demande aux autres, effectivement, de, effectivement, de faire la même chose. Autrement dit, à partir de ce, de ce moment, la classe politique est interpellée, effectivement, que cela ne se répète plus. Je pense que d'un point de vue de la, de, la démarche, euh, c'est une, une, très bonne chose. Ça va être une avancée si, effectivement, euh, tous ces, ces, hommes politiques. Euh, parce que n'oubliez pas, aujourd'hui, par exemple, il y a des, des députés, il y a des, des, des, alliés qui sont en tout cas, qui ont des moyens de l'État. Donc, tout ce monde-là, en tout cas, quel que soit le régime, en tout cas, qu'on puisse euh, effectivement faire en sorte ça que... Ça peut dissuader euh, d'autres je pense qu'ici, que ici, c'est un problème vraiment critique de la qualité de notre euh, démocratie, si effectivement tout le monde est conscient que cela est mauvais et on, on, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, veut, maintenant, je dis que ça c'est autre chose euh, puisque lui, je, pense que on, moi par exemple, parce que j'ai dit au niveau de la conférence de presse que euh, c'est quand même assez, assez, assez curieux, mais le ministre Bazoum a considéré que, euh, en tout cas lui, il pense qu'il doit le dire parce que c'est un fait, c'était récurrent ce que tout le monde fait, mais voilà, moi, j'ai dit qu'il déplore effectivement cela. Donc, il a interpellé tout le monde. Maintenant, par rapport à la question de sa démission, là aussi, dans, un, dans une interview, il a répondu clairement pour dire que euh, non seulement n'organise pas les élections, c'est la, la, la, CENI, hmm. mais aussi la loi électorale dit que à une période précise, un candidat, je crois, sur, combien de semaines, en tout cas, moins ne doit pas occuper une fonction officielle. à ce moment précis, effectivement, il doit démissionner. Il dit voilà que c'est à deux ans des élections que l'opposition demande sa démission. Il a rappelé un exemple que, dit par exemple en France, où c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Sarkozy, je crois, à, il était de l'Intérieur, c'était à deux semaines ou trois semaines qu'il avait démissionné. Donc pour dire que ici, c'est vraiment un débat politique. Euh, parce que, comme dire l'autre, entre l'opposition et, et le, pouvoir, c'est comme... même euh, eh, les joutes, en tout cas politiques, la surenchère, elle est démise. Mais de, ce point de vue-là, je pense que, du point de vue du code électoral, on fait un, un, procès d'intention à mm. Bazoum il n'est pas obligé de démissionner parce que les candidats parce que ce n'est pas lui qui organise les élections. Bien. Hussein Issa, euh, euh le FRDDR, en tout cas, euh, fustige, c'est euh, ce qu'ils appellent euh, l'utilisation, l'usage des, des biens, des biens publics et des attributs, des attributs de l'État à des fins personnelles par, par Bazoum et compte, en tout cas, et même a décidé de porter plainte contre lui on disait tout à l'heure, Garé et Elal Suleiman disait que celui-ci a déjà, en tout cas, reconnu avoir, en tout cas, euh, justement, euh, fait ce qu'on lui reproche, mais euh, a promis de ne plus faire ce genre d'actes. De, d'actes. Vous savez, c'est une pratique, je pense, qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une pratique qui a de tout temps existé. Hmm. Et je vais dire aussi, c'est une pratique qui avait été combattue sous le régime Kunti, où le véhicule administratif même c'est le chauffeur qui te dépose, il vient, il dépose le véhicule au service. Le lendemain, il vient, il cherche le véhicule, il vient te trouver chez toi, il t'amène. Le week-end, le véhicule reste au niveau du ministère. Moi, je pense que il faut réglementer l'usage des véhicules administratifs parce que ça coûte cher à l'État. En termes de bons de carburant, souvent qui sont distribués à des, femmes, des, cela, il faut faire en sorte que l'État puisse faire des économies par rapport. Aujourd'hui, on voit bien des véhicules administratifs dans des, enfants qui n'ont pas le droit de rentrer parce que normalement, un véhicule administratif, il faut que tu sois autorisé pour pouvoir conduire ce véhicule-là. Aujourd'hui, des gens ont des véhicules administratifs qui sont garés chez eux. Deux ou trois véhicules, c'est des enfants que tu vois dedans en train de circuler il y a quelques mois à Niamey, on a vu ces véhicules, euh, en tout cas officiels, administratifs, qui s'est retrouvé à la pilule. Voilà, c'est une insulte à l'endroit des citoyens, des, comment veux je dire, des, comment dire, euh, des, contribuables. Mm. Parce que c'est auprès des contribuables qu'on prend l'argent pour pouvoir entretenir ce véhicule, pour pouvoir acheter les frais de carburant. Alors qu'en est-il de ce que l'opposition lui reproche Je dis, non, moi je suis d'accord, il faut arrêter ça, mais il faut légiférer pour dire voilà les conditions. Et quiconque est pris en flagrant machin et dans une situation de, comment veut dire d'abus de biens sociaux, de biens publics, d'abus de biens publics, hein. et qu'il soit sanctionné. On voit un peu parce que quand on fait le parallèle en Occident, en Europe, en France notamment, quand tu es dans une activité privée en tant que ministre, tu vas utiliser tes biens privés tu dois utiliser tes fonds. Même si tu dois aller, il y a des ministres qui ont dû rembourser des frais parce que tout simplement, ils ont utilisé ces frais-là pour acheter des tickets de stade ou ceci, cela. Il faut qu'on mette fin à ça. Moi, j'ai dit, ça procède de l'assainissement de la gestion de l'État. Hmm. C'est important. Mais le tout n'est pas de dire j'ai arrêté. Parce que si lui, il décide d'arrêter, ce n'est pas évident que tout le monde arrête. Aujourd'hui encore, à Niamey, vous voyez beaucoup de véhicules qui circulent administratifs avec la plaque euh, qui circule. Hmm. J'ai cru savoir qu'il n'y a pas longtemps, il y a une note qui est sortie, je crois, du ministère des Finances pour réglementer l'usage des véhicules administratifs. Est-ce que ça s'est arrêté Est-ce qu'il y a eu des sanctions C'est sur ça qu'on doit donner des instructions à la police de la circulation, aux, à aux agents de la circulation. Pour dire un véhicule administratif, il faut l'arrêter si, et demander. À l'époque, quand tu vas sortir avec un véhicule au poste de sortie, on t'arrête. On, te contrôle à la sortie. on te demande où est l'ocre de mission. Hmm. Si tu n'as pas d'ocre de mission, on retourne le véhicule. Parce que ce n'est pas ton véhicule. On te l'a affecté pour un usage bien précis. C'est sous quel régime ça Sous le régime Kunche. ça veut dire que ces pratiques ont disparu Ces, euh, pratiques aujourd'hui, par le, par le truchement de la démocratie, les gens sont venus. Il y en a qui ont deux, trois véhicules administratifs chez eux. Hmm. Alors qu'il y en a qui en ont besoin, mais qui n'ont qui, qui, qui, qui, qui n'en ont pas. Moi, par Moi, je suis tout à fait d'accord du point de vue du principe, mais il faut légiférer, il faut réglementer et il faut créer les conditions pour que les gens respectent ça. Hmm. Parce que tant qu'on ne crée pas les conditions, ce n'est pas parce que Bazoum, lui, il a dit qu'il va arrêter désormais que ça va s'arrêter. Hmm. Gare, vous voulez ajouter quelque chose Je suis, suis d'accord avec ce que Hussein dit. Hmm. Parce que vous savez, c'est aujourd'hui, c'est au Niger qu'on voit des voitures de l'administration qui transportent du bois qui transportent n'importe quoi à des cérémonies de mariage. C'est-à-dire que il faut que moi j'interpelle les citoyens. Aujourd'hui, à l'heure du smartphone, j'interpelle tous les citoyens nigériens. Si vous voyez un véhicule administratif en train de faire autre chose que ce à quoi il est destiné, prenez des photos, envoyez aux journaux ou envoyez aux services compétents. Si on ne fait pas ça là, si Est-ce que ça peut avoir un effet garé On se rappelle le véhicule euh, administratif qui s'est retrouvé à la, à la La photo a circulé sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a eu une suite Non, c'est ça que j'ai dit. C'est ce que Hussein dit. Ça hmm. dit que c'est là qu'on veut aller. Mm. Ça dit qu'il faut qu'il y ait des sanctions. Vous comprenez hmm. C'est tout ce que a dit. C'est pourquoi je vous dis que j'ai j'épouse ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hmm. juste dire que oui, oui, il est interdit. Non, non. Bon, il est interdit. Qu'est-ce Il faut que tout le monde contribue. Il faut que tout le monde contribue. J'ai dit, nous, on va traquer, nous les journalistes. Dès qu'on va voir un véhicule d'administration dans des, dans des coins. Qui... Ah non, non, non, non, non, on prend des photos. On prend des photos et on fait des articles. Il faut que les gens soient prévenus. Hein. Il faut que les gens soient prévenus. Et j'ai dit, j'invite tous les citoyens qui vont voir ces véhicules-là dans des situations un peu. Non, mais à prendre des photos, de les smartphones et de les partager. Oui, oui, oui. Elal suis même pas attendu de mettre dans, mon journal. Euh, j'ai vu une, euh, un véhicule, c'est vraiment des forces de l'ordre, vraiment transportant du bois. Et vu que c'est jeu privé, j'ai fait la photo et j'ai mis ça sur Facebook les gens ont commenté dans l'esprit vraiment à euh, faire un travail citoyens, interpeller que qu'on ne doit pas faire ça. Mm. Donc je pense qu'on a euh, essayé de faire choses là pour en tout cas faire avancer la gouvernance. Mm. Mais vous savez, euh, certains abusent, par exemple, notamment au niveau des forces, de l'ordre. Les gens pensent que c'est un risque souvent qu'on prend parce qu'ils pensent que, vous voyez un peu c'est un peu regarder dans leurs affaires, euh, vous voyez. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dénoncer et qui peuvent effectivement amener le citoyen à faire attention. Lorsque vous savez que euh, les gens peuvent faire des photos balancer sur les réseaux sociaux, en vous allez cas, absolument, ça peut contribuer effectivement à discipliner les gens. J'étais ah, oh, sur les, la question de la sanction. Ça dit, parce que tant qu'il n'y a pas de sanction, ce n'est pas tout le monde. Vous savez, on est dans une communauté où les gens n'ont pas la même vision hmm. de la gestion de l'État. Hmm. Quelqu'un peut être là, on lui a donné une mission, une fonction, où il a droit à un véhicule, ou peut-être même deux véhicules, mais il va en abuser tant qu'il n'y a pas de sanction. Ça dit que le véhicule qu'on t'a donné là, tu dois normalement. Moi, je dis, on peut Donc la sanction, la sanction peut contribuer à faire respecter ces gens La, la preuve la preuve. Quand c'est le régime militaire, les gens se tiennent à carreau les gens évitent de faire ça. Ça veut dire que c'est le bâton qui marche avec les gens. Et donc, je suis d'accord avec lui, c'est la sanction seulement qui peut régler. Bien. Par rapport toujours à la déclaration du FRDDR à propos du chronogramme des élections générales communiquées par la CENI, le FRDDR trouve que c'est une énième, c'est une manière pour le président de la CENI de faire entériner son énième chronogramme euh, concocté sur instruction du pouvoir en place selon les propres termes du FRDDR. Gary Amadou, à cette allure, est-ce qu'on peut espérer des élections consensuelles, transparentes et apaisées au Niger en 2021 Mais là, moi, j'aimerais que vous posiez la, question à, à l'opposition, le FRDDR. C'est quoi le consensus pour le FRDDR Est-ce que le consensus, c'est quand les gens s'entendent sur quelque chose, ou bien c'est quand on fait ce que l'opposition veut Parce que j'ai l'impression que c'est ça que l'opposition appelle le consensus. Il n'y a pas de consensus tant que tout ce que l'opposition dit n'est pas pris en compte. Il faut voir toutes les avancées qui ont été enregistrées concernant ce code électoral-là. La CENI était à 13 membres. Mais, suite aux récriminations de l'opposition, elle a été ramenée à 19. Et dans les 19, la majorité a 5, l'opposition a 5, le non-affilié en 2, je crois, et puis l'administration. Et mieux, dans l'ancien code, les membres de l'administration avaient droit de vote. On a dit non pour éviter toute suspicion parce que l'opposition a dit Ah oui, oui, les membres de l'administration, ce sont les cadres du PNDS. Mm. On a dit Bon, ils n'ont pas droit de vote. Mm. Ça, c'est un. Concernant la composition du bureau de vote, mm. ils ont dit, ah non, non, le code électoral empêche à des partis qui sont en compétition d'avoir des délégués au sein du bureau de vote. Nous ne sommes pas d'accord. La CENI a dit, d'accord, d'accord, d'accord. Une CENI qui le boycotte. Hein. Ça dit il boycotte le CNDP, il boycotte la CENI. Mais malgré tout, on a dit, bon, on va faire, euh, puisque dans tous les cas, les élections, c'est pour les Nigériens. On a dit, on revient à rentrer ce système les partis qui sont en, en compétition dans une circonscription peuvent envoyer leurs délégués, qui sont à leur charge, bien sûr, mm. n'est-ce pas, dans les bureaux de vote pour surveiller. Il n'y a aucun problème. On est dans le, même, le, processus d'avant. Et troisième chose, et concernant même toutes les autres dispositions, n'est-ce pas Parce qu'on avait dit que, euh, euh, euh, en tout cas, on va, on va faire en sorte que ces élections-là soient inclusives. Donc, on va faire un recensement, en tout cas, un fichier biométrique. Donc, on va faire un recensement et on va aller enrôler ceux qui ont été recensés mm. pour qu'il y ait les deux. L'opposition n'appelle toujours pas ses militants à se faire recenser. Toujours, hein C'est-à-dire que les élections, c'est l'année prochaine que ça commence. Non, non, ils sont là, on fait déclaration, on fait marche. On fait déclaration, on fait marche. Et on répète les mêmes choses, la même litanie. Et on dit non, non, non, on va amener l'affaire au niveau de la CDAO, ce que le, Front Patriote. On va amener l'affaire au niveau de la CDAO, comme si la CDAO n'est pas en train d'observer ce qui se passe au Niger. Comme si la CDAO ne va pas bien, qu'il y a quelqu'un qui fait la politique de la chaise vide, il y a quelqu'un qui refuse de s'asseoir pour discuter et qui n'a, qui n'a aucune proposition concrète. Tout ce qu'il avait demandé, la plupart ont été, a été réglé, sauf l'article 8, bien sûr. Mais aujourd'hui, l'opposition est dans une posture où on ne sait même pas ce qu'elle veut. Bien. C'est à se demander s'ils veulent aller aux élections réellement. El Suleiman Mahamadou, euh, est-ce que, vu en tout cas cette, cette façon de faire de l'opposition, ces déclarations et un peu, les, en tout cas, les points récriminés, euh, est-ce qu'on peut s'attendre à des élections euh, euh, consensuelles et apaisées en 2021 En tant qu'observateur, comment y parvenir En tant qu'observateur, je constate simplement que est-ce que les opposants entre eux sont sincères Pendant que nous sommes, certains opposants sont en campagne, ils font leur congrès, ils, préparent les élections, ils se préparent aux élections pendant que d'autres, franchement, sont dans une posture ou du statu quo. Donc, euh, il y a vraiment, euh, franchement, euh, ces questions à se poser. le comportement des uns et des autres nous montre que véritablement, quoi qu'on dise, hein, la réalité fait que certains sont en campagne, certains, en tout cas, se préparent conséquemment pour les élections, parce que il n'y a pas d'autre alternative. Un parti politique, il est fait pour, en tout cas, compétir aux élections. Et dans une situation où le président qui est en place a décidé que véritablement, il doit partir dans les délais. Donc, ce n'est pas de l'amusement de la politique. Ils savent. Et effectivement, lorsque Garé dit que euh, tout ce, il y a eu beaucoup, beaucoup justement de, de, de concessions de la part du de, de, régime en place, parce qu'en réalité, ce qui s'était passé au niveau du comité du dialogue politique, ce NDP, mm. et quand tout le monde était venu, tout le monde en a connu, en tout cas, ce, qu'il avait comme réclamation. Hmm. Et on a tenu compte de C'est ça qui a fait véritablement. Maintenant, l'opposition n'a pas eu justement le courage de venir euh, cautionner véritablement euh, ce qu'ils ont demandé. Mais véritablement, que ce soit euh, donc, le Front patriotique, toutes ces demandes ont été justement prises en compte. Au niveau de, de l'opposition euh, radical, si j'ose dire. Mm. C'est seulement l'article 8 qui n'a pas, en tout cas, été euh, reconsidéré. L'article 8 qui exclut ah, les, candidats euh, condamnés. C'est un article qui n'a pas été inventé par le régime en place, il a toujours existé. Donc, bref, le vrai débat, c'est que je pense, il faut le dire aussi honnêtement, c'est assez déplorable, en tout cas, pour une fois que, effectivement, l'opposition ne ressort pas au niveau de la CNI, C'est vraiment assez déplorable. Mais je pense que euh, pour la qualité de notre démocratie, si véritablement les gens veulent de l'alternance, il faut se prépare véritablement. Ce n'est pas vraiment. Il n'y a aucun doute. Le président en place va, <laughs> partir. Et effectivement, quelqu'un doit être élu. que véritablement les gens s'organisent, en tout cas pour venir, en tout cas prendre sa place. Hussein Issa, <laughs> moi, moi, je vais prendre le contre-pied de Gary et de, euh, de J'ai Assister à la mise en place du Conseil national de dialogue politique en 2004. C'est un conseil qui a été initié avec l'appui des partenaires pour notamment créer les conditions de, de stabilité politique dans le pays à l'occasion des élections. Et quand ça a été créé, l'esprit, ce n'est pas un esprit de je suis majorité, je suis minoritaire. C'est un esprit de recherche de consensus par rapport à toute question engageant la vie de la nation. Mm. Mais malheureusement, c'est à quoi on a assisté, et c'est ce que je trouve déplorable, c'est que du point de vue, comme on avait dit, du nombre, le CNDP a commencé à dysfonctionner à partir de 2016. Parce que les gens mettent les questions en vote alors que ce n'était pas ça l'esprit. Mm. Les gens viennent, ils trouvent un consensus, la juste mesure. C'est-à-dire chacun fait des concessions. On était parti sur cette base jusqu'à arriver à ce niveau où karma, il y a une radicalisation de l'opposition. Je ne suis pas d'accord avec la chaise vide, bien entendu. Le boycott des rencontres de... Oui, bien entendu, mais quand vous venez systématiquement, de l'autre côté, on vous dit on va passer au vote. Alors, pourquoi aller s'asseoir pour juste verser la salive quand vous, vous savez que, en fin de compte, ce que vous allez faire comme proposition, euh, ça va être, euh, j'ai rejeté. Vous savez mm. Et c'est ça qui, aujourd'hui, à l'origine, mais je trouve déplorable. Aujourd'hui, la CENI a été mise en place. Le code électoral a connu une révision, une première révision. Ensuite, il y a un comité, parce que le prochain a contesté. Ensuite, il y a un comité qui a été mis en place, mais malheureusement, le même esprit a prévalu au niveau comité, là, qui a suscité le départ de l'opposition. Moi, j'ai dit, on est en train de fausser les règles du jeu. Mais il faut qu'il y ait un minimum d'entente entre les deux camps. Mm. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils disent, bon, on peut faire telle concession, on peut faire telle concession. C'est ça le plus important. Parce que aller à des élections dans un contexte comme ça, moi j'ai dit, quelque part, ça fausse un peu le jeu. Non, en fait, mm. ce que je veux dire, mm. c'est trop facile l'explication que l'opposition donne. C'est-à-dire dire que, euh, euh, oui, oui, euh, la majorité s'accapare de tout. Non. C'est-à-dire que le problème, qu'est-ce que vous proposez Est-ce que vous êtes prêt à vous asseoir ou vous n'êtes pas prêt à vous asseoir On est en train d'assister à une dictature de l'opposition qui veut imposer ses désidératas. Mais est-ce que la majorité. ce que Hussein dit, c'est que l'opposition ne veut pas s'asseoir. Non, l'opposition pense que. Dans un état d'esprit où on met des questions en vote alors que la majorité a déjà. une grande majorité, ça veut dire que toute question qu'on met en vote, ça va être. Non, c'est quand il n'y a pas de consensus qu'on va au vote. C'est quand il n'y a pas de consensus. Très malheureusement, en démocratie, le vote reste le moyen, en tout cas, approprié pour trancher. Nous a pas de consensus, vous nous allons passer au dernier sujet, au dernier sujet concernant donc euh, cette lettre du nouveau gouverneur de DIFA adressée au ministre du Pétrole. Le gouverneur de DIFA, Issa Lemine, fustige la délocalisation prolongée de la CNPC, la compagnie euh, chinoise qui exploite le pétrole, et ses succursales de DIFA à Zender depuis 2015, pendant que 66 ONG internationales et tous les services étatiques continuent de travailler à DIFA sans inquiétude et à réaction justement à cette lettre, le ministre du Pétrole, Fomako Egado, a écrit une lettre à la direction de la CNPC lui demandant de procéder à la réouverture immédiate des bureaux à DIFA. Gary Amadou, comment analysez-vous ces réactions Oui, d'abord, euh, pour le gouverneur, je pense qu'il est dans le, le cadre de sa mission. Euh, cette demande qu'il avait en tout cas adressée au ministère du Pétrole, certainement elle fait suite à des consultations avec euh, les autorités, en tout cas les, les responsables, les différentes associations au niveau de DIFA. C'est-à-dire que c'est la population qui a demandé cela. De l'autre côté, aussi euh, ce que les sociétés qui ont quitté DIFA n'ont pas quitté de ghetto de cœur. Vous comprenez mm. Quand une société qui s'installe, c'est pour une longue durée dans un endroit. Mm. Si elle quitte ce cahier il y a problème. N'oubliez pas quand même que des organisations internationales ont été attaquées ces derniers temps. Oui, des, véhicules ont été brûlés. C'est-à-dire, il faut rassurer ces sociétés-là pour qu'elles puissent revenir. Mm. Aujourd'hui, le ministre du pétrole qui dit à la CNPC de retourner, la CNPC va dire, mais oui, mais d'accord, mais quelle est la garantie qu'on a qu'on ne sera pas attaqué Moi, je suis d'accord. Hein. Si ces sociétés-là reviennent à DIFA, ça va permettre aux jeunes d'avoir des emplois. Mais vous savez, la société était à DIFA quand Boko Haram a éclaté. Mais ce que j'ai dit, hmm. c'est toute la communauté qui doit travailler. Sensibilisons d'abord les enfants qui sont en train de partir chez Boko Haram pour que DIFA soit pacifié. Si DIFA est en paix, les sociétés vont revenir. Aujourd'hui, le ministre du pétrole sait qu'il a fait, c'est très bien. Il demande à la CNPC de revenir. Mais la CNPC va demander des garanties. Euh, où c'est ça La CNPC, il y a 106 ONG implantées, des gens, des humanitaires des gens qui viennent appuyer les populations qui sont dans une situation de détresse. La CNPC exploite le potrel à Agadem. S'il y a eu cette crise-là où les gens s'en vont massivement, les gens sont allés massivement, c'est parce que justement il n'y a pas d'emploi. Je me rappelle une année, ça a éclaté où il y a eu des émeutes au niveau de DIFA où le Premier ministre Brigitte Raffiné a dû se déplacer pour aller chercher une solution. Mais malheureusement, la solution n'a pas suivi. Mais maintenant, concernant la CNPC qui se délocalise, c'est eux qui font des bénéfices. Parce que c'est eux qui exploitent le pétrole au niveau du bloc d'Agadem. Donc pour vous, il n'y a pas de parallèle à faire entre la CNPC et les ONG Non, je vais dire, oui, c'est une société qui est venue faire des profits. Par contre, les ONG sont venues assister des populations dans une situation de sinistre. Hmm. Bien. Et là, je, Suleiman Mahamadou, sur quoi mettre l'accent aujourd'hui si la CNPC doit retourner Pour le principe, euh, à mon humble avis, c'est que le gouverneur a fait en tout cas le, base, à savoir que, bon, euh, au niveau de la population de Dufa, euh, on ne peut que se réjouir, avoir le sentiment, on a en fait un gouverneur qui tient compte de nos problèmes. Donc, d'un point de vue de principe, vraiment, c'est tout à fait légitime. Il demande un peu plus de justice donc, aux, aux populations. Mais euh, effectivement, vous savez, comparaison n'est pas raison. Vous ne pouvez pas comparer les humanitaires avec euh, une société qui a mis ses moyens. Les humanitaires trouvent leur compte en réalité. Ils font du business. Il faut aussi qu'on le dise mm-hmm. honnêtement. les humanitaires aujourd'hui, euh, les fonds qui sont alloués aux, sinistrés ou bien en tout cas aux populations mm, vulnérables, ce mm. ces là se donnent de grosses voitures, de gros salaires. Mm-hmm. ça c'est une question. Mm. Donc, elles ont intérêt en tout cas être, à être là-bas. Mm-hmm. Maintenant, la société non seulement elle a besoin de garanties, mais aussi elle va en faire un prétexte pour qu'un une petite, euh, tu vois, peut dire que le gouvernement nous a mis dans cette, situation. Mm. Donc, euh, moi, je pense que c'est de façon, euh, c'est un problème de qui a au niveau des DIFA. Va falloir qu'on se dise que véritablement la solution, mm. ce que le gouvernement puisse contribuer justement, que la population lui fasse confiance, parce que dans cette situation, il y a aussi l'apport de la population en termes de, je veux dire que des dénonciations euh, de collaboration avec les, les, FDS et les autorités, euh, en tout cas euh, locales. Mais franchement, il va falloir que la population du en tout cas collabore, conséquemment, en tout cas, pour qu'ils puissent se dénoncer parmi les leurs. Vous savez la différence entre les humanitaires et les sociétés qui, qui, qui se font de l'argent, comme il dit, c'est que les humanitaires, excusez-moi, ils vivent du malheur en fait. C'est-à-dire que là où il y a la paix et la sécurité, les humanitaires ne sont pas là. Les humanitaires sont là, là où il y a la catastrophe, là où il y a la misère, là où il y a la guerre. Mm. Eux, ils profitent de ça. Mm. Les sociétés, elles, elles vivent là où il y a la paix, là où il n'y a la pas la guerre. C'est mm. ça le contraire. C'est-à-dire que ces humanitaires-là, elles ont, ces humanitaires-là ont besoin de ces catastrophes-là pour vivre. C'est ça qui fait en sorte qu'on les donne des, fonds. mais les humanitaires ne sont pas tenus de venir. Ah non, ça ils ne sont, pas tenus de venir. Par exemple, MSF, Hein. Ils ne sont pas tenus de venir. C'est à nos États de prendre de se Nous sommes au terme du forum de la presse de ce soir. Nous étions accompagnés de nos invités, nos confrères journalistes, Gary Amadou. Euh, journaliste au quotidien La Nation, euh, Hussein Issa, journaliste freelance, Elad Suleiman Mamadou, journaliste euh, au journal en ligne Niger Inter. Présentation à Alassane Kouzi Mamadou, euh, la technique assurée par Issa Lawali. Je vous rappelle le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes demain samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 minutes, samedi, le forum en Hausa sur la drépanocytose et dimanche, le forum en Zarma sur les résultats globaux du baccalauréat de cette année.